de, notre doyen. C'est un bon euh, élève euh, de l'Occident. Que vous accordez le à des médias étrangers. Est-ce que nous le gogo nous avons fait le bitireux, nous avons fait des Sénégalais et Japonais, des faire des manifestations, nous avons fait le gogo, nous avons fait le gogo. Bon, le raisonnement, est un peu simple, parce que l'événement, c'est la communication. La femme nous met d'oreille. Je pense que dernier interview président euh, fit, euh, à part sa déclaration du 3 juillet, à Elage Hassan D'accord. journaliste pour am xam nga pour oui et en wolof. Euh, mais communication le président fi c'est un événement international et mondial D'accord et au-delà de l'agenda faire un agenda de communication donc ça moi je pense que euh, jarul sax sorry. Il euh, y a, c'est une façon pour nous ñi je pense que les portes euh, du palais sont ouvertes et je pense que dans l'agenda du président pratiquement deux sorties yu Moudjou, c'est avec des organes locaux la CODEF un euh, élément je pense que xam nga fi ñu toll nii ci réew benn yi des ñu élection je pense que lu bari jaar na fi fukki at ak Le président Macky Sall parce que la démocratie aussi a une séquence a une séquence Le président Macky Sall a un mandat 2019 2024 2024 lay jeex réew à partir de 2024 wara a ci benen tournant tey ci réew lañu wara a acteur le constat c'est bien la théorie c'est bien mais lañu wara a moy aujourd'hui quel est l'actif du président Macky Sall lan moy actif lan moy bilan lan moy passifam mais ñi nga xamni ni nii am nañ kàddu ci réew mi projets. ci projet bëgg nek ci projet lan offrir Sénégalais parce que aujourd'hui tous les Sénégalais nous ngi war déglu c'est pas moi pour moi ni me gis. bilan l'ambit démocratie vite ci la bokk. les arrêt les nombreuses arrestations non vous savez. les moi, détenus pour politique. je vais le dire arrêtés pour délit d'opinion. je je vais le dire euh, parce que c'est un point de cristallisation je fais partie de ceux qui pensent que on n'a pas un problème de démocratie on n'a pas un problème de système électoral les combats les combats démocratiques pour un système électoral ce combat il est gagné depuis très longtemps pour preuve dans notre pays la colonne utile toutes les grandes villes Dakar Géjaway, Thiès Kaolack Mbake, euh, pas Mbake, toute cette colonne c'est l'opposition qui l'a gagnée on est parti aux élections on a une composition à l'Assemblée nationale parce que démocratie vous mesurer ci réalité la faculté de sciences politiques nous lay l'état de la démocratie on regarde la composition de l'Assemblée nationale où la majorité a 83 députés, l'opposition 82 députés. de ce pays-là, ce n'est pas un pays démocratique. Il n'y a pas un système électoral fiable. quelle est la configuration des forces Nous sommes à peu près sur l'expression du suffrage dans les élections locales et dans les élections législatives. On a un équilibre des forces, ni le toll, presque 50-50 là. Nous sommes le président bi na naka gagné l'élection présidentielle 2019 Nous sommes le 58 Nous sommes ñu ne démocratie amu ce pays a eu deux alternances démocratiques c'est-à-dire que yegg nañ pour man li gëm le Sénégal c'est démocratie pour que nous soyons à la hauteur de notre démocratie Nous waxtaanee ce que tu viens de dire mais non pas sur le constat ah, quel est notre déficit Moi, je ne suis pas, je le dis, je sais que tu es un très bon communicant, mais vous le que tu ramenez, nous, pour wax je ne sais pas. parce que c'est fi chance dundu bitim réew jàngee bitim mun de comparaison parce que am chance jang fi université Dakar fi am chance dem jang France man bimay guen université Dakar 2000 xam nga ñun lan grève je le rappelle souvent parce qu'à l'époque, l'ENAM recrutait 18 maîtrisards par an. Et c'est en 2000. Nous avons nous, nous sommes Dakar. Chaque année, en 2000, l'ENAM recrutait 18 personnes. La magistrature recrutait 18. L'école normale supérieure recrutait jusqu'en 2000 25 par an. Parce que vous n'avez 25 par an. Vous vous rappelez pour nous mettre jamono la grève de la faim de trois mois en fin 99 des élèves professeurs pour nous recruter l'aime dans la fonction publique je pense que non je veux dire man damay wax parce que nous fait nous dañu fi ay combat fekkee loolu des combat mm. l'ouverture du concours de l'ENA nous avons 18

ci biir quartier populaire laa juddoo yaroo fa jàngee fa jàngee lycée Limamoulaye je peux pas rester là tout au quotidien je vis avec des difficultés xamna Sénégal cœur bu dul togg reer xam fu ben ci ndi tegu je ne dis pas et ça ça existe dans tous les pays du monde le monopole du cœur et de la sensibilité il ne faut pas que ñu que dans une vision manichéenne c'est parce que je suis dans le pouvoir c'est parce que je suis dans l'opposition j'ai le monopole de la compassion et du peuple. non ce n'est pas une réalité Ce n'est pas une réalité damay parce que je suis un spécialiste des questions d'emploi L'emploi, ce l'emploi c'est pas quelque chose qu'on invente je ne te dis pas chat qu'il n'y a a pas de chômage dans le pays mais lan une situation chômage du Sénégal on a une population assez jeune on a 75 de la population à moins de 35 ans Si que la une population de 17 millions d'habitants, da 13 millions de jeunes D'accord, tu as chaque année pratiquement 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. chaque année ça c'est une réalité démographique C'est un problème maintenant comment régler ce problème xam nga lan la. xam nga ban problème la ñu non defal nak non defal non waxuma 6 mois limay wax. Ah, non Fat Abdou je gis nga moo tax la fi ñu toll ni hmm. il faut que ñu waxtaanee sérieusement bien sûr les problèmes du pays. suñu bugué pays bi avancé c'est pas une affaire de 6 mois la question de l'absorption de la force juvénile bi ñeu sur le marché de l'emploi c'est pas une question de 6 mois c'est pas une question de mandat D'abord, ce c'est pas une question non déglu c'est pas une question. vous c'est pas 12 ans non non c'est pas une question de mois non dama bëgg ñu discuter. non li ngay ni discuter. sérieusement pendant 24 ans je veux dire nos jeunes.

position moi j'étais pendant 7 ans directeur général de l'agence pour l'emploi des jeunes oui j'entends tout le temps oui échec des politiques de la jeunesse je dis c'est une problématique bi da ngay j'ai dit c'est pas une question politique politicienne c'est pas une question à politiser il faut que nous un consensus sur la question parce que l'école est réglé c'est vrai aujourd'hui statistique le Sénégal créé c'est emploi à peu près jusqu'en 2012 c'était 55 000 emplois. Entre 2012 et maintenant, parce que c'est la réalité de notre économie, nous avons 95 000 emplois. Mais quand vous avez l'économie formelle, économie, nous avons inventé un emploi. Mais tu fais des progrès. Nous avons 55 000, 95 000. Mais vous avez 300 000 jeunes. Alors très très mais bien. Vous avez un gap, il faut qu'on avance. Vous avez un de 200 000 jeunes. Oui. Nous avons mhm. non, nous consensus. Nous dégoûtons ci ben affaire nous voir la politique de des jeunes nous devons eh, priorité. non la politique. non non suis pas dans ces questions là. non non non non non pas ça. il faut je veux dire je vous dis. je vous dis moi ah. ce que je vous dis là je dis fini le prochain président, le prochain gouvernement, le président a beaucoup fait. Moi, je dis, j'ai géré l'agence pour l'emploi des jeunes on a fait après les événements de mars 2021 quelque chose de révolutionnaire dans le pays après mars 2021 en faisant un effort sur le budget de l'État de 150 milliards d'EFCO qui ligne li politique active d'emploi moins traitement social du chômage Pas chômage bon, mais chômage de masse wala nga am déficit bu important dafa am ñaari levier yo mën a liggéey benn bi mooy levier structurel bi nga fexe ba sa économie di absorber di yokk loolu doo ko inventé mm-hmm. mais nga am beneen levier boo xam ne nii mooy traitement social bi traitement social mooy lan nga fexe ba am ay emploi public aidé am volontariat fexe ba jeunes yi am revenu mais loolu effort yooyu buñ koy def effort yooyu buñ koy def noo déglu rek non Fatou Abdou gis ngeen li ñuy wax nii non parce que non non parce que xam nga xam nga non mais mais je vais terminer et je vais chuter ah, là je vais chuter là très rapidement je vais chuter là parce que li warni wax ni deux minutes. non pas deux minutes Deux, treize secondes. parce que xam pourquoi man dama sais ñu nekk ci dans un éternel recommencement man ma géré la crise migratoire dans le pays en 2007 et en 2008 Barça ou la Barça man maa ko géré dem ci camp yi dem Espagne ci xool jeunes yi man maa ko gérer. personnellement. Oui. donc je connais ce que je dis. et maa ngi ciy ñëwaat. tey tey tey tey je suis amer. su gis li nga xam ne nii mooy. xew jeune Sénégal mais dama ne non xam nga loolu foofu laay daanelee ah. parce que avant ñuy ñëw si truc yi je dis ñun dañu am devoir. caat yow da nga am devoir yow da nga am devoir man dama am devoir dame dafa am devoir de sensibilisation, devoir de prévention, que pour Waggeni, message pour il n'y a rien qui vaut leur vie. Il n'y a rien à Koulen parce que jeune, il y, a des, y a des gens qui prennent leurs 3 millions, leurs 4 millions, leurs 5 millions, qui leur mettent dans des pirogues. Voilà, ils C'est-à-dire que l'Union c'est le problème. Parce que si on encourage les jeunes, on les encourage à aller vers la bord. Ce que je vous dis là, sincèrement, n'a rien à voir avec un parti politique, n'a rien à voir avec un régime. Ce que je dis, c'est un problème quand on a une jeunesse, quand on a une population extrêmement jeune. on doit les sensibiliser et les vrais messages. quel soit ne pas éradiquer ces problèmes sur une baguette magique. oui mais s'il vous plaît mais également les perspectives